La cité religieuse de Medina Bay connaît chaque année une forte affluence à l'occasion du Gamou et c'est pour aider à résoudre l'équation de l'hébergement des fidèles que le président de la République a inscrit la cité de Cheikh al-Islam au rang des priorités. Un vent de modernisation qui va au-delà d'une résidence des hôtes d'une capacité de plus de 60 chambres. Les travaux confiés à la Sénégalaise du bâtiment et du commerce affiche un taux de réalisation de 97%. Les problèmes d'hébergement trouvent ici un début de solution. On nous a confié les travaux euh, de la salle de conférence et du bâtiment euh, avec les, salles de séminaire et les salles de euh, réunion. on a aussi réalisé quatre suites présidentielles au niveau du bâtiment et l'aménagement extérieur. Avec cette œuvre que le président leur a offerte, au moins ça, a réglé quand même, ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais au moins ça a atténué le problème. Parce qu'ils peuvent loger ici plus de 200 personnes sur, sur, sur les bâtisses. Chaque chambre a sa propre salle de bain. Les suites équipées et le bâtiment dispose d'un poste transfo connecté au système solaire et un groupe électrogène.

ku ma ju teraanga ak koo mën a dox danaa la fay feeg maa ngi dund su ma fi nekkul sax danaa batal la ku la fay te dinaa la ñaanal yàlla bala maa dem fenn ñaanal nañ ko yàlla sembam yëpp yi am ci Sénégal yu mel nii ak yeneen yu uuteeg yi yal na yàlla àggale lépp te yàlla ko fekkee